des bâtisses impressionnantes, des édifices antiques. C'est ainsi qu'on reconnaît la ville touristique de Rome. Sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations et la Charte de Rome, la capitale de l'Italie a reçu du 9 au 15 février des journalistes du Nigeria, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, venus s'enquérir du traitement de la migration par la presse italienne. Un séjour que nous avons mis à profit pour aller à la rencontre des ressortissants sénégalais. Troisième économie de la zone euro, l'Italie est l'une des destinations de choix des migrants d'origine sénégalaise. Tous les moyens étaient bons pour y entrer. Les uns privilégiaient la voie aérienne, tandis que les autres bravaient les dangers de la mer pour fouler le sol de ce pays de l'espace Schengen inatteignable ces dernières années. Trouvé près de la gare terminée de Rome, précisément rue Gioberti, ce ressortissant sénégalais profite des petites minutes de répit que lui donnent les carabiniers pour écouler quelques bonnets qu'il cède à 3 euros pièce, 2000 francs CFA, aux passants en cette période de froid. De ce commerce de rue, il vit et fait vivre. La vie est très dure dans ce pays. Souvenir aux besoins des nôtres est la seule raison qui nous retient ici les Sénégalais représentent la 13e communauté étrangère dans ce pays de l'Union européenne, avec un total de 110 242 ressortissants, selon l'Institut italien des statistiques, ISTAT. La majorité est concentrée en Lombardie, où on compte 33 983 Sénégalais. Ils sont 3114 à Rome, qui est la capitale régionale du Latium. Nous croisons l'un d'eux à la Fontana di Trevi, la fontaine de Trévis. Cette place mythique plantée au cœur de la capitale italienne est le lieu d'affluence de milliers de personnes par jour. La légende veut qu'elle exauce les vœux de ses visiteurs à la recherche de l'amour. Il suffit de tourner le dos à la fontaine et de jeter quelques pièces. Ce qui fait de ce haut lieu du tourisme italien une cible de choix pour les vendeurs à la sauvette d'origine sénégalaise. Une dizaine de bracelets accrochés au doigt, il opte pour l'offensive. Tel un professionnel de la vente, il accroche ses deux potentiels acheteurs et parvient à vendre deux bracelets pour 10 euros, soit 7000 francs CFA. Après deux échecs, il est arrivé en Italie en 2017 par pirogue. Comme des milliers d'Africains, il a vécu l'enfer libyen dont il ne veut même pas se souvenir. C'était invivable. C'est au-delà de l'acceptable ce que j'ai vécu en Libye. Je ne le souhaite même pas en Pyrénées. Si je savais que c'est ce qu'on fait subir aux migrants dans ce pays, je n'aurais jamais tenté cette aventure. La traversée Libye-Italie est moins difficile que le trajet Sénégal-Libye. En Libye, on y rencontre euh, toutes sortes de pratiques inhumaines. On y vend des êtres humains comme de l'or. La torture y est de mise. Rien qu'à raconter ça, j'en ai la chair de poule. Le Modou Modou qui a accepté de parler à condition que son visage soit caché est d'autant plus amer qu'il réalise que l'Europe n'est pas le paradis terrestre pour migrants sans papier et sans qualification. Tous qui sont arrivés euh, ici l'ont regretté. Les temps sont durs, renchérit Fallou En 2006, on pouvait faire un chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à des millions par mois. Maintenant, avoir la moitié relève du parcours du combattant. Si les choses étaient déjà difficiles, le bref passage de l'extrême droite au pouvoir n'a pas contribué à les rendre plus faciles. Les conditions d'entrée en Italie ont été endurcies par les politiques antimigratoires de l'ancien vice-président du Conseil et ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. En 2017, les arrivées étaient de l'ordre de 119 369 selon la Charte de Rome. Une association de journalistes italiens luttant contre la désinformation sur la migration, en 2018, elles ont chuté à 23 370, toutes origines confondues. Au 31 décembre 2019, elles étaient à 11 471. C'est à peine si l'Italie n'a pas fermé ses portes aux étrangers le porte-parole du bureau de l'OIM Italie, chargé de la Méditerranée, Flavio Di Giacomo, l'explique en partie par les difficultés qu'éprouvent les migrants pour quitter la Libye. On a enregistré une baisse des flux migratoires de la Libye euh, déjà il y a deux ans, mais ce n'est pas à cause du fait que les migrants vont mieux en Libye, au contraire, euh, c'est dû au fait qu'il y a un blocage depuis de départ de la Libye, de la part des autorités libyennes. On ne citerait pas que les profils migratoires qui intéressent l'Italie, c'est un profil très complexe, les migrants qui partent de leur pays d'origine pour venir directement en Italie en Europe, mais s'il y en a beaucoup qui partent pour aller en Libye, qui est euh, leur pays de destination. Et une fois en Libye, ils deviennent victimes d'abus, de violences, de, violations des droits humains. Alors ils sont obligés à, à s'enfuir de la Libye et arriver en Italie maintenant, on sait très bien que les gardes-côtes libyennes euh, patrouillent la mer euh, de la Libye et, renvoient les migrants en Libye. Euh, où ils rencontrent malheureusement le, même cycle d'abus et de violence dont ils sont en train de, s'enfuir. Et il y a beaucoup de, migrants qui voudraient partir mais ne peuvent pas. Il faut dire pas beaucoup, on ne peut pas donner des chiffres. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un millier de migrants qui voudraient partir. On peut, ne on peut pas savoir ça. Mais on sait très bien que cette baisse d'arrivée est due au fait surtout que euh, c'est très difficile de partir de la Libye, et même, il y a même la peur d'être euh, euh, secouru par des gardes côtes libyennes et d'être envoyé dans, dans, ce pays où, dans ce moment-là, les, migrants risquent leur vie. En tout cas, le nouveau gouvernement veut redorer l'image de l'Italie. La nouvelle ministre de l'Intérieur a présenté un nouveau projet au gouvernement pour casser les fameux décrets sécurité qui consistaient sous Salvini à abolir la protection humanitaire apportée aux demandeurs d'asile à frapper d'amende les bateaux de sauvetage et à menacer de prison les capitaines de navires récalcitrants. Pour ceux qui sont en situation irrégulière en Italie, le bout du tunnel est hypothétique. Les patrouilles de la police étant régulières, il suffit d'une minute d'inattention pour se faire arrêter. Avec la police donc, c'est au chat et à la souris. Nos activités en ont beaucoup souffert euh, Vendre librement et obtenir des papiers est un vrai cauchemar pour nous, car les lois anti-immigratoires sont toujours en vigueur. Ce sort, il ne le souhaite à personne. Il a un conseil pour ses jeunes frères. Que ceux qui le peuvent viennent, mais euh, que ceux qui ont une activité économique stable renoncent à toute idée de venir ici. Nous qui sommes là regrettons d'avoir tout abandonné alors qu'on aurait pu rester au pays et s'en sortir. Pour Falloufei, investir dans leur pays d'origine est la meilleure option qui s'offre aux candidats à la migration irrégulière. Ah, Auparavant, on pouvait épargner de l'argent, mais les temps ont changé. Ce n'est plus la peine de prendre les perroques pour venir. Autant investir l'argent du voyage dans une activité qui te permettra d'avoir une vie décente et de subvenir aux besoins de ta famille. Même son de cloche chez cette Sénégalaise arrivée en Italie en 2007. Elle décourage les aspirants qui seraient dans la possibilité de démarrer une activité stable au Sénégal. À part le mirage, il n'y a rien d'autre. C'est mieux pour mes compatriotes d'investir sur place que de tenter la migration. Sinon, ils risquent d'être des sans-abri et ce n'est pas une vie. Établi à Rome depuis 18 ans, c'est aux autorités sénégalaises que Cheikh Ngom s'adresse. Nous voulons investir au pays, mais les autorités doivent baisser le coût des denrées de première nécessité et de l'électricité, car il faut savoir que chaque émigré a sous sa responsabilité tout un foyer. Cet appel son compatriote Fallou Faye le reprend, mais c'est pour demander un allègement des conditions d'entrée des véhicules en provenance d'Europe. Le gouvernement devrait faciliter l'importation des véhicules sénégalais. Une demande légitime de ses fils éloignés du pays, dont le rêve de revenir se heurte souvent à la persistance des raisons qui les ont décidés à prendre le large. ndax doomu Sénégal ngay wuyoo waaw ci bitim réew